Mesdames Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, euh, le rendez-vous hebdomadaire euh, du studio Kalangou. Cette semaine, euh, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la participation de l'équipe nationale de football, le MENA, à prime du Niger à la septième édition du championnat d'Afrique des Nations, Chan Algérie 2023. Ensuite, nous parlerons du Forum national sur l'organisation du Hajj et la tenu sous la présidence du chef euh, du gouvernement, euh, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. L'actualité, c'est aussi ce déplacement à des populations des communes rurales du Gouroual, notamment celle du village de Tigay vers Bankilare, euh, qui ont fui les exactions des groupes armés. Pour euh, commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Memoune Diado. Memoune bonsoir. Et bonsoir Mokhtar. Abba Kariarimi, journaliste à la radio alternative. Abba Kariarimi, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Et Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Mouria. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Amadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 3 février avec la participation de l'équipe nationale du football, le MENA prime du Niger, à la septième édition du championnat d'Afrique des nations Chan Algérie 2023. Le MENA du Niger qui a perdu son match en demi-finale joué mardi face au Fennec d'Algérie sur le score de 5 buts à 0. Ainsi, l'Algérie pays haute est qualifiée pour euh, la finale qui va se jouer demain, samedi 4 février, contre le Sénégal. Le Niger, quant à lui, jouera euh, le match du classement pour la troisième place euh, ce 3 février contre le Madagascar. mais Diado, le MENA du Niger, a fait un bon parcours durant cette compétition, mais a été complètement méconnaissable mardi contre les Fenech d'Algérie. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché? selon vous Merci Mokhtar. Euh, je suis vraiment d'abord satisfaite du parcours donc, euh, de MENA à Prime. en éliminant certains pays. oui, certains pays. Parce que en éliminant ces pays, MENA a quand même favorisé le terrain à d'autres euh, euh, pays, puisque si le MENA n'avait pas, euh, en tout cas, euh, eu droit sur Cameroun, Ghana. et puis les Diables Rouges du Congo, je suis sûr qu'il y aura d'autres pays qui ne pourront pas, en tout cas, être au stade de demi-finale ou même, oui, oui, de demi-finale. Donc, c'est pour dire que vraiment, jusqu'à avant-hier, c'était un parcours honorable. C'était honorable. C'était vraiment, c'est vraiment honorable, même que avec ce qu'on a vécu avec les fenêtres, euh, de l'Algérie, c'est nous continuons en tout cas à, vraiment les, soutenir. Parce que c'est la première fois, il faut se rappeler, que c'est la première fois que notre équipe nationale au niveau donc du Chan arrive quand même euh, au stade de demi-finale. Et je pense que vraiment euh, de l'Algérie était, c'est une équipe trop forte en tout cas. Euh, sur ses propres installations. Sur ses propres installations et puis c'est le pays organisateur et puis en tout cas en, en matière de tactique euh, et de comment ils sont en train de jouer, euh, c'était un peu différent. En tout cas, nous, euh, le MENA n'était pas à la hauteur. Ça, il ne faut pas se cacher la face. On avait espoir que même si le MENA n'allait quand même pas avoir cette victoire sur le FENEC, que peut-être ils allaient quand même réaliser un score qui n'est pas du tout 5 à 0. Mais on garde espoir pour ce qui est euh, la troisième place, là aussi, c'est une autre équipe parce qu'on a vu le jeu de, l'équipe de Madagascar. Ce n'est pas aussi une équipe facile, mais euh, tant mieux que le meilleur gagne. Et nous sommes toujours avec Mena après. Parce que là, il faut se dire, ce sont des enfants, ce sont des jeunes qui ont mouillé le maillot. L'entraîneur a mouillé le maillot, les enfants ont mouillé le maillot. Et je pense qu'au retour, ils devront être quand même euh, accueillis royalement ici au Niger. Merci Memoud Diado. Garé Amadou, qu'est-ce qui peut expliquer cette lourde euh, défaite des poulains de euh, Haroun Abdullah contre euh, les Fenech d'Algérie Moi, pour moi, le MENA est parti à cette demi-finale avec une sorte d'excès de confiance. Après avoir éliminé le ah. Oui, oui, il y a eu un excès de confiance. Après avoir éliminé le Cameroun. Ça, peut ah l'expliquer. Ah oui. Et quand il y a un excès de confiance, les, spécialistes du football vont vous le dire, hein. quand il y a un excès de confiance, c'est toujours un défaut. Et donc, ils ont éliminé le Cameroun, ils ont éliminé le Ghana. ils se sont dit que Bon, voilà. L'Algérie en demi-finale, c'est possible. Ils oublient qu'ils ont joué des, des, des, matchs amicaux. Oui, oui, voilà. Ils se disent que c'est possible. Ils oublient le détail qui est le plus important c'est que d'abord, l'Algérie joue à domicile, n'est-ce pas Donc, 80% du public, sinon plus, était acquis à la cause algérienne, n'est-ce pas Et le détail, ce qu'ils n'ont pas pu renforcer leur défense. Pour moi, l'entraîneur aurait dû, lors de cette confrontation euh, avec, l'Algérie, ne pas prendre beaucoup de risques, renforcer la défense, parce que les Algériens vont être à l'assaut du but nigérien. C'était ce qui s'est passé. Et donc, quand on encaisse autant de buts, ça veut dire que la défense a été défaillante. Ça veut dire que la défense a été poreuse. Cinq buts, c'est trop. C'était euh, une, une, déculottée, pratiquement une douche froide, mais qui n'enlève en rien les performances que le MENA a accomplies. C'est pourquoi moi je tiens ici à rendre hommage à Doula. Parce que je l'ai dit lors de l'entraîneur national. Je l'ai dit, l'entraîneur de l'équipe A. Je l'ai dit lors de d'un précédent débat. J'ai dit, euh, on a discuté ici, mais mon on était là, j'ai dit, ah, le, le, non, je suis sûr d'une chose, c'est pas que je mais je suis pessimiste, le Ménan ne remportera pas la Coupe. Mais je sais que c'est la compétition qui réussit le plus au football nigérien. Et c'est avec un entraîneur qui a les meilleures performances en tout cas sur le plan du football au Niger. C'est Haroun ce c'est pas quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est lui qui est. Vraiment, il y a une certaine régularité. Quelque chose n'a pas marché lors de cette demi-finale-là. Il s'agit pour moi de corriger ces erreurs-là. D'abord avant le match contre, euh, contre, Madagascar. Parce que comme l'a dit Mimouna, l'équipe malgache là ne sera pas facile à, gérer. Ah Elle ne sera pas facile à gérer. C'est une équipe qui en tout cas, ils ont produit un très bon jeu. Ah, ils ont un très bon euh, football. Lors de la rencontre contre Moi, j'aimerais qu'on soit serein, Mokhtar. Euh, il ne faut pas qu'on soit étonné que le Niger soit battu par Madagascar. Mon souhait, c'est que le Niger gagne. Mais même si le Niger est battu par Madagascar, donc s'il n'obtient pas la troisième place, je dis bien, nous devrons être fiers des performances de cette équipe, de son entraîneur, du staff technique et vraiment du travail qui a été fait. Parce que pour moi, cette équipe-là, elle regorge du vivier qui doit permettre de renforcer l'équipe senior. Parce que l'équipe senior peine à trouver ses marques lors des compétitions internationales. C'est une équipe qui nous déçoit régulièrement. Et donc, à part deux participations à la Cannes, bien sûr, mais donc ces jeunes-là qu'on a vus, ces jeunes talentueux-là qui se sont exprimés lors de cette, euh, de, de, cette compétition-là, ces jeunes-là doivent être en tout cas utilisés pour renforcer l'ossature du 11 national senior. Et donc, dès maintenant, quand ils vont revenir, n'est-ce pas, quelle que soit l'issue du match, j'ai dit bien contre le, le Madagascar quelle que soit l'issue du match, il devra être triomphalement accueilli, comme l'a dit Memouna. Et Maintenant, il s'agira pour les techniciens du football nigérien de se réunir, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les failles à corriger, bien sûr avec l'entraîneur, le staff technique et tout le monde, et voir comment est-ce qu'on peut aborder les prochaines compétitions sous-régionales continentale, voire mondiale. Merci beaucoup, Gary Amadou. Euh, Arimi, vous êtes journaliste sportif. Euh, que faut-il comprendre au sujet de la participation euh, du MENA euh, pour cette édition du championnat d'Afrique des Nations C'est une participation honorable. être dans le dernier carré, n'est-ce pas C'est ce qui est, a priori, demandé à toutes les équipes qui participent. Et le MENA y est, et donc il faut saluer c'est une très bonne participation, même si cette déculottée, vraiment cette gifle de l'Algérie euh, doit nous ramener euh, à la réalité. Moi, je pense que... À la réalité, c'est-à-dire... Euh, oui, en fait, je pense qu'on avait atteint nos limites. Ah. Il faut bien comprendre que on a éliminé le Cameroun, le Congo et le Ghana pour en arriver là. Je pense que les jeunes ont donné plus qu'ils n'en pouvaient. C'est ce qu'on demande aux gens quand ils sont en équipe nationale, c'est surpasser. C'est cela le sport, mais en une, dans une équipe nationale, c'est surtout ça qui est demandé. Parce que tu vas voir une équipe nationale, parfois constituée de joueurs assez moyens, mais qui vont loin. C'est à quoi nous sommes parvenus. Sinon, il ne faut pas perdre de vue que notre équipe nationale est constituée de joueurs. Le champ, c'est pour les joueurs locaux qui jouent dans le championnat local et qui sont de nationalité de la nationalité de ce pays-là. Eh bien, Actuellement, il n'y a aucun club nigérien en compétition internationale de la CAF. Tous nos clubs sont éliminés. Et ce qu'il faut comprendre, ça veut dire que logiquement, ce n'est pas les meilleurs Africains qu'on a dans notre euh, équipe. Mais Doula a pu impulser cette capacité à aller chercher, à se surpasser. La fédération a fait en sorte que euh, l'équipe est sortie il y a un mois et demi du Niger. Euh, ils ont joué des matchs amicaux en France. Oui, et puis la préparation s'est déroulée en Égypte, euh, en, ah. Tunisie, avec plusieurs euh, matchs amicaux, d'ailleurs qu'on n'a jamais gagné. Et voilà, ça a quand même porté ses fruits et nous sommes parvenus à ce résultat-là. Maintenant. Abacharimi, comment améliorer, corriger les erreurs Justement, ce n'est pas que des erreurs, c'est tout le système ça, c'est pour une compétition qu'on est allé. Et une compétition, un championnat euh, organisé comme une phase finale comme ça, c'est l'équipe, pas la meilleure équipe, pas l'équipe constituée des meilleurs joueurs qui l'emporte, mais c'est l'équipe qui est en forme du moment qui l'emporte. Je crois que c'est le cas du MENA. Euh, Abdullah a pu faire en sorte, et son équipe et son staff bien sûr, ils ont pu faire en sorte que l'équipe a atteint sa maturité. Là, là, ils, sont ils ont atteint l'optimum. Et donc, peut-être que dans un mois, si on croise le Ghana, on ne va pas les gagner. Hein. Et donc, c'est ça qu'il faut se dire. Autrement dit, il faut revenir au pays. Moi, je ne suis pas dans l'accueil et tout, parce que pour moi, le Chan, ça reste une compétition mineure sur le plan continental. Il y a les compétitions de clubs, mais aussi il y a le, la Cannes. Là où vraiment c'est regardé dans le monde entier, certes, quand on participe au nom d'un pays, quelle que soit la petitesse de l'activité, il faut l'emporter. Ça, on en est fiers et ça nous a rappelé, euh, ça nous a ramené sur terre, ça a fait en sorte que les Nigériens, ça c'est le sport, ça c'est la force du sport, ont regardé de la, dans la même direction pendant au moins 48 heures, y compris le président de la République, vous avez vu comment il s'adressait à l'équipe. Ça, c'est en cela que c'est très bien. Maintenant, si on revient, notre championnat est à mille lieues du championnat algérien si l'Algérie nous gagne avec ce score, ce n'est pas étonnant. Parce que nos meilleurs, quand ils sont bons dans notre championnat, c'est dans des pays comme l'Algérie qu'ils vont. Hmm. Parce que ils ont plus de ressources, ils ont plus de moyens, ils ont plus d'installations que nous. On doit savoir tirer les leçons et venir investir, mais investir dans nos clubs. Parce que c'est les, clubs qui donnent. généralement, les gens te disent non, les clubs ne font rien, mais les clubs sont vraiment ce sont, ce sont les clubs qui sont les pépinières. Bien sûr, c'est le club. Tous les joueurs là que vous voyez, ils sont tous issus des clubs de Niamey et de l'intérieur du pays. Il n'y a pas de miracle. Et les pays, des pays comme le Niger, nous n'avons pas aussi les joueurs binationaux. Les, joueurs binationaux, c'est des enfants qui sont nés, par exemple, vous avez vu la dernière fois Eto est allé rencontrer la famille de Mbappé parce que son petit frère qui est en train de grandir, les gens espèrent plus que Mbappé en lui. Et lui, il est allé négocier les parents pour dire, écoutez, Mbappé a joué pour la France avant l'Algérie parce que lui, il est trinational. Et donc, il est algérien, camerounais et français. Avant que l'Algérie ne vienne demander sa part à votre famille, moi, camerounais, je viens, s'il vous plaît, permettez-moi. Le petit, dit qu'il va réfléchir. Donc, nous, nous n'avons pas ce genre de joueur, pas en pagaille, parce que on n'est pas parti longtemps vraiment et rester faire des enfants ailleurs. L'équipe en 80, 2003 qui a gagné la Guinée, qui pendant qu'ils étaient au summum de leur force, euh, c'était un une équipe constituée essentiellement de joueurs locaux mais qui ont été préparés presque comme cette équipe du Chan. Et donc, il y a la possibilité, puisque le joueur, l'ossature de l'équipe peut être locale. Et donc, travailler à ça et rester en veille. Oui, mais, aussi. Oui, est-ce que euh, l'État nigérien a les moyens quand même de soutenir, euh, comme vous l'expliquez comme ça Qui veut la chose doit aller la chercher. La, moi, à mon sens, le sport nigérien en général, la volonté politique manque. Là, je suis très content. C'est la volonté politique qui manque ou bien les ressources, et les, non, la volonté politique. Moi, un État a toujours les moyens de mettre en place vraiment. Le Niger, jusqu'en 1990 et au-delà même, était l'un des seuls pays de la sous-région à disposer de sept stades parce que toutes les chefs-lieux des régions avaient, un stade. C'est insuffisant. Pas non, aujourd'hui c'est insuffisant parce que si vous voyez le cadre que le Maroc a créé pour que son équipe au mondial atteigne ce niveau, c'est un centre qui n'a rien à envier au centre européen. Mais on peut le faire parce que si le Mali aujourd'hui euh, on va aller en compétition des plus jeunes bientôt et vous allez voir. s'il fourmille vraiment de talent et souvent produit au plan local. Si l'Algérie, et le, Sénégal produit des joueurs, n'est-ce pas, issus vraiment des centres de formation sénégalais aujourd'hui, 90% des joueurs qui, jouent actuellement, qui vont jouer la finale du Sénégal sont issus des centres de formation du Sénégal. Et ça veut dire qu'il y a moyen. Le Sénégal, à mobiliser ces stars internationaux, internationales pour créer un centre jambar qui est vraiment des plus enviés de la sous-région ou du continent africain. Le, Maroc, ils ont mis en place un centre national, c'est le ministère de sport sans la fédération qui a créé son centre et a développé ils sont partis de 35 000 enfants. ils ont testé 35 000 enfants. Ces pays, euh, est-ce qu'ils sont à comparer au Niger non, c'est parce qu'on n'a pas cette ambition-là et on ne sait même pas. Je vous dis, je répète, je suis content du comportement du président de la République qui montre de l'intérêt pour le sport. C'est une industrie, ce n'est plus un jeu. Aujourd'hui, il faut aller voir au Mali, en retour, qu'est-ce que les jeunes joueurs qui sont expatriés euh, mettent dans leur propre pays combien de jeunes ils emploient, combien de, jeunes gens travaillent pour construire leur maison, leur immeuble, ainsi de suite. C'est énormément d'argent qu'il faut savoir aller chercher. Et il y a moyen de le faire. C'est une industrie, c'est comme le cinéma qui ne bénéficie d'aucun presque d'aucun soutien aujourd'hui au Niger. Alors qu'ailleurs, on a transformé et on mobilise des centaines de jeunes tant de techniciens que de comédiens qui produisent. Donc c'est la même manière pour le football. Il y a quelque chose qui n'est pas connu. juste un mot. Mhm. Quelque chose qui n'est pas connu. On a 14 clubs en Super League aujourd'hui au Niger. Parmi dans ces 14 clubs-là, au moins 25 joueurs sont payés à la fin du mois. C'est des jeunes gens, 25, au moins 25. Parce qu'il y en a qui ont 30, il y en a même qui ont 40 joueurs qui sont payés. Le staff technique, c'est au moins 7 personnes, ils sont tous payés n'est-ce pas Donc c'est un pôle entier, vraiment d'une industrie, d'une économie qu'on ignore. Parce qu'on pense que c'est un jeu. Ce n'est plus un jeu. Pour un État, le football, ce n'est plus un jeu. Pour un quartier, le football, ce n'est plus un jeu. C'est un jeu juste pour un supporter. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse placé sous le thème L'organisation du Hajj et la Omra à l'ère du numérique. Cette rencontre organisée par le cabinet du Premier ministre est destinée à passer au peigne fin toute la problématique euh, de l'organisation du Hajj et de la Umrah et finir euh, définitivement avec euh, les problèmes récurrents qui minent l'organisation du Hajj au Niger. Au cours de cette rencontre de deux jours, les participants ont débattu sur deux thématiques, à savoir la digitalisation de l'organisation du Hajj et la Umrah et le diagnostic et les perspectives euh, de l'organisation du Hajj et la Umrah au Niger en s'appuyant euh, sur euh, les sous-thèmes du transport, hébergement, encadrement et restauration, nous indique l'agence nigérienne de presse ANP. Gary Amadou, que faut-il retenir au sujet de ce forum national sur l'organisation du Hajj et la Umrah au Niger Oui, d'abord ce forum, c'est d'abord, je crois, c'est le fruit du rare rôle du gouvernement de voir chaque année l'organisation du Hajj se transformait en une épreuve calamiteuse où vraiment c'est la grosse débandade du départ jusqu'au retour des, pèlerins. Je crois que c'est cette prise de ah. conscience du gouvernement que il faut que les choses changent qui a amené à organiser ce forum-là, qui a regroupé justement toutes les parties prenantes. Maintenant, j'ai eu la chance de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les agences, le COHO, le, ministère de l'Intérieur. Voilà, les transporteurs, tout, tout. Et donc, moi, j'ai eu la chance de lire les conclusions de, de, euh, ce, de ce, en tout cas, de ce, de ce forum-là, n'est-ce pas? Et justement, les décisions qui ont été prises sont de plusieurs ordres. D'abord, il a été décidé qu'il faut tout faire pour que eh, les pèlerins, leur lieu d'hébergement ne soit pas loin des lieux de culte. Parce que c'est ce que beaucoup de pèlerins ont reproché. C'est-à-dire que les agents de voyage. Oui, oui, oui. Les agences de voyage les amènent et puis les amènent dans des lieux éloignés des lieux de culte et le transforment Donc, il faut tout faire pour que les Nigériens. Ça coûte cher. Oui, mais non, Les hôtels. Euh, non, c'est pas. Écoute, euh, Mokhtar, c'est-à-dire, voilà ce qui a été décidé, de tout mettre en œuvre. L'État va subventionner donc. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais une chose est sûre, il a été décidé que de faire en sorte que les lieux d'hébergement des pèlerins. Euh, c'est pourquoi je vous dis que voilà. donc quelque chose a été décidé. On va, voir comment ça va être mis en œuvre. Mm. Mais déjà, il faut saluer le fait que le gouvernement ait organisé ce programme-là. S'implique. Deuxième chose, mm. il a été décidé que pour le transport des pèlerins, que les transporteurs les avionneurs soient variés. Parce ah. qu'on a vu des cas où il y a eu des retards pour le départ et parfois le, le, le retour aussi se fait dans des conditions assez, assez désastreuses. Donc le gouvernement a dit qu'il faut diversifier les, les, les trucs. Pour la, la, restauration, ça encore c'est une plainte des pèlerins. Les pèlerins disent que les agents de voyage les amènent et puis vraiment la, bouffe, la, bouffe est, franchement euh, parfois dégueulasse. Donc, il faut, il faut tout faire pour que la restauration. Donc, les agences de, voyage soient interpellées parce que les pèlerins payent aussi cela. Vous comprenez Et la troisième chose, c'est les questions de santé. Et là encore, le gouvernement a décidé que, euh, en tout cas, a, interpellé toutes les parties prenantes pour que les conditions sanitaires des, pèlerins soient, en tout cas, prises en compte pour qu'il y ait vraiment une meilleure assistance sanitaire. Il faut saluer cette, cette, cette parce que D'abord, on ne connaissait pas ça. Et puis, le Hajj, c'est devenu une sorte de routine catastrophique depuis plusieurs années. Donc, il faut vraiment à un certain moment s'arrêter. Euh, Gary Amadou, est-ce que euh, tous ces trucs-là ne vont pas faire en sorte que le Hajj coûte euh, davantage cher Non, je ne sais pas comment ça, comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que, en tout cas, moi je pense que le prochain Hajj, il y a un défi que le gouvernement vient de lancer, c'est améliorer la qualité des prestations. Et donc, les agences de voyage, parce qu'ils ont parlé aussi des, des agences de voyage malhonnêtes, des vraiment des agences où il y a des personnes véreuses qui exploitent les agences parce que vous avez des pèlerins qui payent, qui n'ont pas pu partir et qu'on n'a pas pu rembourser. Des situations assez, assez vraiment cas mais, et, qu'ont certains pèlerins. Donc ce sont toutes ces, toutes ces choses-là qui ont été examinées lors de ce forum. Est-ce qu'il y a des recommandations qui ont été formulées Non, les recommandations, ce sont les principales là que je viens de ah, vous évoquer. Ce sont vraiment, c'est ça les conclusions. Les recommandations, c'est ça. Et puis, en tout cas, je pense qu'ils vont mettre en place un comité qui va se charger de tous ces, de tous ces côtés, de toutes ces choses-là, peut-être sous la coupe du Coro, mais ce comité-là va travailler à faire en sorte que tout ce qui a été décidé pour améliorer la prestation pour le Hajj 2023, pour que ces prestations soient en tout cas euh, au bénéfice des pèlerins merci beaucoup, Gary Amadou. Abachari Arimi, les manquements cités par le Premier ministre tournent autour du non-embarquement des candidats au pèlerinage ayant accompli toutes euh, les formalités, l'incertitude euh, des programmes euh, de vol à l'aller comme au retour, et les difficultés d'enregistrement en ligne sur le logiciel GAO et le nombre élevé des agences euh, du voyage, le détournement des fonds de certains candidats au Hajj euh, par euh, des promoteurs. Quelles sont les attentes des Nigériens au sujet de ce forum Moi, je pense que c'est si simple que ça. c'est qu'ils puissent faire correctement les rites pour lesquels ils payent. C'est-à-dire, c'est d'aller à temps, parce que le Hajj, c'est un mois. D'ailleurs, quand on était plus jeune, c'est beaucoup plus. Parce que bon, il faut quitter Difa, il faut venir à Zender, parce qu'il y avait des départs à Zender à l'époque, euh, ou, venir à Namé. Bon, voilà, c'est plus d'un mois. Aujourd'hui, l'année dernière, ils ont fait une semaine. Une semaine, ça veut dire que rien que sur le plan de la restauration, ils ont perdu. Et il semblerait j'espère que d'ici l'année prochaine, je pourrai être pour voir faire cette expérience. Il semblerait que les gens mangent vraiment moins que qui ne mangent dans leur maison. Ce qui n'est pas normal. Parce que là, ils sont partis pour travailler, n'est-ce pas euh, Avoir de la force pour faire vraiment. Il y a beaucoup d'exercices pour, accomplir les rites. pour accomplir les rites. Vraiment, souvent, je ne comprends pas, en fait. D'abord, les agences sont nombreuses. En plus, les gens se plaignent qu'il n'y ait pas si, il n'y a pas. Ça veut dire que les agences font vraiment beaucoup d'économies, beaucoup de bénéfices sur les pèlerins. C'est ce que ça veut dire. Parce que si je ne comprends pas, si je comprends bien, tu ah, Selon vous, non, c'est simple. On me dit que si j'amène, si j'amène, sont des industries. Non, c'est des industries, bien sûr, bien sûr, parce que c'est des industries, c'est des, boutiques. Parce que on me dit que si j'amène 10 personnes, moi-même j'ai droit à une place. Autrement dit, si j'amène 4 millions, 10 pèlerins, 40 millions, les 4 millions me reviennent moi aussi. Autrement dit, ça veut dire que le bénéfice, est beaucoup plus, plus élevé. Moi, je pense vraiment, depuis l'année dernière, ce qui s'est passé, je pense à peut-être pourquoi ne pas fédérer c'est-à-dire créer mhm. des sociétés en bonne et due forme avec des actions, n'est-ce pas Les agences qui ont le même, euh, selon vraiment leur tempérament, selon leur entente, selon leur euh, considération, se regroupent pour qu'on ait moins d'agences, n'est-ce pas donc, ça veut dire qu'ils auront aussi moins de charges. Parce que souvent, c'est ça qu'ils mettent en, avance. Ils disent que non, ils dépensent beaucoup de frais de téléphone, beaucoup de personnel et tout et tout. Mais donc, il faut fédérer et avoir le nombre minimum. Ça, je crois que le gouvernement doit faire ça. Créer très peu d'agences. Et moi-même, si je me réveille un jour et que j'ai de l'argent en économie, je, peux acheter. Garé a dit quelque chose de très important, le choix euh, de, de l'avionnaire. Oui, non, ça, c'est, en fait, j'en venais. Ça, c'est extrêmement important. Et on peut, si on crée plusieurs agences, normalement, il y a plusieurs avionnaires. Parce que chacun a ses connaissances, chacun a celui qu'il peut. Maintenant, le gouvernement, son rôle, c'est de veiller à la qualité de la prestation de ses avionnaires. N'est-ce pas Et En cas de manquement, ah, sanctionner. Non, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Écoutez, vous n'êtes plus qualifié pour faire ce travail. Allez vendre des cacahuètes. C'est aussi simple que ça. Non, mais sincèrement, <laughs> parce qu'il s'agit de la vie des Nigériens, de la vie des pèlerins, de la vie des gens qui vont aller faire vraiment un des piliers vraiment de, l'islam. Et donc, vraiment, le nom du Niger aussi. Et la question de, de, l'hébergement, je trouve aussi que c'est extrêmement important que les gens, qu'on s'y prenne à temps. Il y a aussi les gens qui travaillent ils nous ont donné un quota déjà déjà bien bien avant ils nous ont dit que on a droit à 15 000 places euh, ça veut dire qu'eux ils sont en train de travailler depuis que le Hajj de l'année dernière est fini nous aussi on doit faire le coho, c'est un truc vraiment permanent qui doit être là. Dès que cette année finit, et même avant, l'année prochaine doit être programmée. Et peut-être qu'on aura 15 000 places. Comment on peut répartir Qui peut être engagé à faire ça Vraiment, c'est de la planification. Et surtout un événement, quand tu l'organises chaque année. Il y a aussi euh, cette affaire de perte euh, du bagage. Euh, parfois, les bagages se retrouvent en Ce C'est pas normal. C'est pas normal parce que normalement, parce qu'il y a quand même des milliers, une dizaine de milliers de pèlerins qui partent. Donc, il n'y a même pas normalement possibilité de mélanger avec. Vous voyez, donc vraiment, il y a un peu d'amateurisme. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, qui mobilisent leur avion parce que voilà, d'entrée en un mois, tu as le plein de ton avion en aller-retour, euh, donc des billets vendus comme tu le souhaiterais. Donc c'est tout ça. Vraiment, moi, je pense que l'État doit s'impliquer davantage, n'est-ce pas Amener, sensibiliser les agences à se mettre ensemble. C'est des calculs simples aujourd'hui, n'est-ce pas Si les assurances font la même chose, il y a deux ou trois assurances dans tout Niamey, il y a combien d'assurances Dans tout le Niger même, il y a combien d'assurances Donc les agences peuvent faire la même chose. Les gens, il suffit de mettre ton argent on peut te faire le bilan de façon transparente à la fin de l'année. Voilà ce qui te revient comme, comme bénéfice. Il faut travailler comme ça, il faut moderniser les choses, surtout par cette période d'informatique, vraiment, de technologie. Tu peux être couché chez toi et puis on te cherche l'argent. Merci beaucoup, Abakar Arimi, Memouna Diado. Il faut développer une grande capacité d'anticipation pour euh, mmh. le succès du pèlerinage et éviter que nos concitoyens qui se sont acquittés de tous les frais ne puissent pas effectuer leur Hajj ou euh, l'effectuer dans des mauvaises conditions, a indiqué le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Comment rompre définitivement avec les pages sombres autour de l'organisation du Hajj et la Oumra au Niger En sanctionnant. En sanctionnant qui En, sanctionnant euh, qui C'est le COHO qu'il faut sanctionner Ce sont les agences de. Les, agences, d'abord, on commence d'abord par les agences. Ah. Parce qu'aujourd'hui, si on peut sanctionner, on doit d'abord sanctionner. Qui, peut sanctionner qui Mais l'État, l'État doit sanctionner. C'est le COHO qui doit sanctionner ou le, ministère de l'Intérieur <laughs> le, ministère de l'Intérieur, je pense que COHO est également sous la, c'est, sous la coupe quand même du ministère de, l'Intérieur. Donc ça veut dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit agir. C'est ça, parce qu'on ne peut pas à chaque fois, chaque année, répéter les mêmes problèmes, c'est les mêmes difficultés, et revenir l'année prochaine euh, à travers, par exemple, un forum pour dire que ça doit s'arrêter. Non, on ne peut pas stopper certaines choses si on ne prend pas des sanctions. Et on doit commencer par où On doit commencer d'abord à répertorier les agences à regarder du côté des agences d'abord. Vous voulez dire que les agences de pèlerinage sont pléthoriques Ce n'est pas qu'ils sont pléthoriques, mais il y a certaines agences qui n'ont pas les conditions en fait, qui ne méritent pas en tout cas d'être des agences dans ce pays. C'est ça. Parce que d'abord les agences là, d'abord il faut regarder la qualité de ces agences là il faut d'abord regarder comment est-ce que ces agences fonctionnent. Il faut d'abord la euh, crédibiliser, ces agences-là. il faut d'abord que celui qui va dans ces agences-là, pour mettre son argent, soit quand même confiant qu'à la fin, rassuré qu'à la fin, il va pouvoir effectuer un rage en bonne et due forme. Mais s'il n'y a pas toutes ces conditions-là, moi je pense qu'il faut passer à la sanction il faut sanctionner. À mon avis. Et, et, je pense que ici, pour le Coro, ce n'est pas de sanctionner. Le Coro, on doit attirer son attention. Parce que tout est focalisé au niveau donc, de, du Coro. Le Coro, c'est le transport. Ce que je suis en train de dire, le transport. Et, si tu paies ton billet et que tu n'as pas le transport, tu fais comment C'est ça aussi. Il faut que, comme on a dit, multiplier, donner la chance à ah, ces avions, euh, ah, ah, oh, oh, ces euh, agences. oui, ces agences. En euh, fonction de leurs relations. de leurs relations pour d'amener des, oui, avionnaires. des avionnaires. Moi, je, je, pense que comme ça, ça pourrait éviter que déjà le transport d'ici pour transporter les pèlerins on et, est, leur et leurs bagages, on est déjà confronté à des histoires. Pour les ramener, c'est d'autres choses parce qu'il y a des, des, valises qui font un mois, plus d'un mois, deux mois, trois mois avant que, <laughs> oui, avant que ça ne parvienne au propriétaire. Mais, mais bon, comment est-ce que, est que les autres auront l'envie aujourd'hui euh, d'effectuer ce Hajj-là Il y en a beaucoup de Nigériens qui ne s'inscrivent pas ici au Niger ah qui vont dans, vont, qui vont dans les, autres pays, les pays qui sont à côté là, mm. pour pouvoir s'inscrire parce qu'ils trouvent là-bas déjà la qualité ah la, ah, oui, oui, la qualité. Et puis, les frais sont moins chers. Donc, dans ce cas, tu il n'y a pas trop de confusion. Oui, il n'y a pas trop de confusion. Mais quand il y a trop de confusion ici, avec combien d'agents, tu ne sais même pas par où passer, quelle agence tu vas aller t'inscrire. Mais. Avant, rapidement. avant, les gens du Nigeria, du Tchad, venaient partir de Niamey. Mm. Parce que c'était transparent, c'était organisé. Tu sais quand est-ce que tu vas aller, tu sais quand est-ce que tu vas revenir. Pour cette, à partir de cette année, à mon avis, c'est faisable. Au lendemain de la fête de Ramadan, n'est-ce pas On doit savoir ceux qui doivent partir, ils doivent même avoir leur billet. Aujourd'hui, nous, on voyage partout dans le, monde. On, à trois mois d'un voyage, tu as ton billet en main. N'est-ce pas La même chose, on peut faire ça, non rapidement. ce, que je voulais dire, ce que Armi dit est vrai, mais enfin, on avait connu la NPO, l'agence nigérienne pour le À cette époque-là, quand il y avait la NPO, Pierre Alam de Mounir Abdeldiko, mais à, cette époque-là, c'était mieux organisé. Et en ce moment, il n'y avait pas le Mais on est étonné que malgré maintenant que le est là, qu'on constate qu'il y a des trucs. Parce que pourquoi Comme le Memoun l'a dit, on ne frappe pas. Pour ah. moi, il y a des agences qui doivent être interdites Merci beaucoup à tous. On servi une courte pause. Dernier aspect de ce forum de la presse, les déplacés de la commune euh, du Gouroual, notamment ceux du village de tegué sont arrivés à Bankilaré pour fuir les exactions des groupes armés qui écument la région de Tilaberi. À la date du 27 janvier, 1293 ménages ont été recensés, soit plus de 7000 personnes selon les responsables administratifs qui se sont confiés à notre correspondant. Une mission humanitaire est arrivée mardi à Banquilaré pour évaluer la situation et répondre à l'urgence. Abachari la situation sécuritaire dans les communes rurales de Gouroual et de Banquilaré est euh, dimanche passé au centre d'une déclaration rendue publique par les ressortissants de ces deux communes à l'issue d'une assemblée générale à Niamey. Comment assister toutes euh, ces populations en détresse euh, dans ces deux communes de la région de Tilaveri Écoute, c'est vraiment l'urgence qu'il faut gérer. On appelle ça en termes humanitaires. Vraiment, on est dans une situation d'urgence parce que 1200 familles, euh, au bas mot, parce que les humanitaires évaluent à 7 euh, les membres d'une famille, et donc on est à pratiquement 9000 personnes qui sont déplacées. Et qu'est-ce qu'il leur faut euh, Seulement à Bankilare. Oui, il y a, il a, d'autres qui sont vers Qu'est-ce qu'il leur faut Il leur faut de l'eau ça, c'est l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Il y a ce qu'on appelle les, les, kits alimentaires et non alimentaires. non alimentaires. Il faut évaluer et pouvoir mobiliser. Et je suppose que, vu que depuis 2014-2015, on est dans cette situation, le gouvernement, et surtout qu'il y a même un ministère pour ça, hmm. doit pouvoir faire le ministère, le ministère de l'Action humanitaire le et de la gestion des catastrophes. mais aussi, on a quand même des dizaines et des dizaines d'ONG euh, nationales, euh, surtout internationales, n'est-ce pas, qui ont une tradition parce qu'ils interviennent partout là où ça euh, brûle n'est-ce pas, ou en RDC, en Somalie, partout dans le monde, ils interviennent et ils savent comment faire. j'espère qu'ils ont stocké. Mais moi, ce qui attire mon attention, vous avez vu, même si on ne veut pas, il faut qu'on vienne à, ce débat. Aujourd'hui, les forces françaises, elles ont quitté le Mali, elles sont venues chez nous. Elles vont quitter le Burkina, elles, vont quitter le, Burkina, elles vont venir chez nous. Mais c'est chez nous que ça s'aggrave, que ça s'empire. Il faut vraiment qu'on se dise la vérité. Oh, parce qu'on suit aussi ce qui se passe en Ukraine, s'il vous plaît en Ukraine, il n'y a personne, aucun est Est-ce qu'il y a un lien entre la guerre, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe Non, je vais vous dire, ça, ce qui se passe en Ukraine, ça qui se passe en Ukraine, parce que tout le monde craint, craint la Russie, aucun homme n'envoie personne, n'est-ce pas Mais ils envoient les moyens. ils envoient les moyens. Il, y a aussi, euh, il y a aussi des soldats qui partent. Les soldats, ça, c'est vraiment c'est dans l'anonymat parfait qu'ils partent. N'est-ce pas mm. Et chez nous, qu'est-ce qui est en train de se passer Sincèrement, si on nous entasse une force étrangère chez nous et que chaque matin, mais même les défenseurs de cette théorie comme quoi euh, c'est des partenaires et qu'ils doivent être chez nous, vraiment, ça s'est battu en brèche. C'est battu en brèche. vous, voulez dire jusque-là, euh, ces forces n'ont pas fait on les sent Pas. Sincèrement, on ne les sent pas. Ou bien, moi, et moi je ne les sens pas. Et donc, vraiment, il faut se dire la vérité. S'ils ne peuvent pas contenir, euh, intervenir, qu'on nous donne les moyens n'est-ce pas, qu'on donne les moyens à notre euh, armée, que tout le monde reconnaît parce qu'ils ont déjà pacifié certaines contrées de notre territoire et qu'ils passent à l'action. Parce que là, imaginez qu'est-ce que ça va devenir, etc. Qu'est-ce que ça va devenir, s'il vous plaît de, Tout le temps des populations en train de s'avancer, d'avancer vers Niamey. N'est-ce pas Est-ce qu'on sera comme Goma Est-ce qu'on sera comme Bukavu Vraiment, il faut se demander. Merci beaucoup, Abakari Arimi, quest Diado. Que faut-il retenir au sujet de l'insécurité dans cette partie nigérienne de la zone des trois frontières, à savoir le département de Bankilare, le département de Terra, plus précisément les communes rurales de Bankilare, euh, Djagourou, Gouroual, Kokourou et Mehana Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de l'insécurité dans cette zone-là On l'a toujours décrit ici que la zone des trois frontières, on a vu euh, les forces qui étaient, euh, euh, qui étaient stationnées stationnées. au niveau donc, des trois frontières, ça a arrangé quoi ça n'a pas arrangé grand-chose. Et aujourd'hui, regarde, il faut regarder Terra, comme il l'a dit, il faut regarder le Gourou. Mais qu'est-ce qui va rester Qui va rester si chaque jour des populations sont en train de fuir pour converger, pour venir s'entasser à Terraville, s'entasser au niveau à Bankilare. Mais est-ce que ces, ces ou Terra peut en tout cas euh, contenir. tous ces beaux beau monde-là qui, en tout cas, chaque matin se dirige vers ces, communes-là. Donc, ça veut dire qu'à force de les regarder, ils seront à Niamey. À force de les regarder, ça sera Niamey, en tout cas, <laughs> leur dernier refuge. Parce que là, on sent que c'est des populations qui ne sont pas sécurisées. C'est des populations qui ne sont pas sécurisées. Et l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment la sécurisation de, de, de, de cette partie, de cette bande-là, pour pouvoir permettre à ces populations-là de rester, en tout cas, dans leur propre village, les villages qui les ont vus grandir, naître, mis au monde et tout, et pouvoir vraiment... Euh, être, euh, comme euh, on dit, intègre. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas tout ça là, et qu'on nous parle, c'est vrai, Arimi a dit, soulever tout, qu'on nous parle que aujourd'hui les forces sont en train de laisser le Mali, ils ont laissé le Mali, ils sont Niger. Quelles forces Les, forces, françaises. Aujourd'hui, le Burkina Faso a dit merde, nous, on ne veut plus de vous. ils vont se retrancher ici au Niger. Mais s'ils se retranchent ici au Niger et que jusqu'à présent. Ce qui est en train d'arriver depuis 2015, aujourd'hui, c'est encore une autre forme d'insécurité que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire qu'on se pose des questions. Une autre forme, vous, parlez du banditisme, le vol de bétail, le vol les bétail, assassinats parce des euh, Parce qu'aujourd'hui, je, suis sûr que ceux qui sont en train de s'adonner, ce pas les vrais djihadistes qui sont en train de s'adonner à cette forme de banditisme-là, de vol de bétail et tout. Non, c'est certaines, euh, c'est des populations aussi qui sont en train de donner une autre forme d'insécurité. Donc il faut que ça s'arrête. Mais pourquoi ça s'arrête Comment est-ce qu'il faut faire C'est tout simplement, nous, ce qu'on a demandé, c'est tout simplement de donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité. Donner les moyens pour que ces forces de défense Mais et qui de vous sécurité... Dit, qui vous dit qu'ils n'ont pas de moyens Mais s'ils ils ont les moyens, qu'est-ce qui, qui, les empêche aujourd'hui d'aller sécuriser la zone là de Dargol euh, et de... Vous n'êtes pas convaincu Non mais, c'est ça. Merci beaucoup Maïmoud Nous sommes à Niamey. Gary Amadou, euh, le gouvernement nigérien a-t-il euh, les moyens pour sécuriser le Niger Le gouvernement nigérien fait déjà beaucoup. Bien sûr, c'est son devoir, mais sur le plan sécuritaire, quand on compare la situation au Mali et au Burkina, on se dit qu'au Niger, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais vraiment le Niger gère mieux sa question sécuritaire que les autres pays. Et d'ailleurs, la preuve la plus palpable, c'est que ce sont les réfugiés de ces pays-là qui viennent au Niger. Parce qu'ils considèrent que c'est le Niger qui est le pays le plus sûr pour eux. Là-bas, ils ne peuvent pas. Je parle du Burkina et du Mali. Et donc, à partir de ce moment-là, des moyens ont été engagés. Mais au Niger aussi, il y a des populations. Il problèmes. On n'a jamais dit que, on n'a jamais dit que les moyens qui ont été engagés, ah on n'a jamais dit que les moyens qui ont été engagés ont mis fin au terrorisme. Ah non, c'est un combat de longue haleine. Le Niger a mis les moyens et le président de la République est allé deux fois dans la région de Telabéry pour vous dire à quel point cette question de la sécurité de la région de Tilaberi est une préoccupation permanente pour le président de la République. Deux fois, il est parti. Il a fait en sorte que les, habitants de, comment on appelle ça, la puissent revenir dans leur bercail. Les habitants de. De Makolondi, oui, puissent revenir dans leur bercail et sécuriser. Maintenant, les terroristes posent un autre défi. Parce que pour la, pour la zone de Dargol et de c'est pratiquement un défi qu'ils posent à l'État. Mais je pense que euh, le ministère de l'Intérieur, qui a déjà organisé des forums pour la réconciliation entre les habitants, l'État qui a engagé des moyens militaires en homme et en tout cas dans la mesure, et à mesure de pouvoir gérer la situation Qu'est-ce que j'appelle gérer la situation Ces populations qui ont été déplacées puissent faire en sorte qu'on puisse le ramener et les sécuriser. Parce qu'ils ont parlé du camp de Wanzarbi qui ne fait rien. Et le camp qui est au niveau de, de, comment on appelle ça là, d'Ayuru. Ils disent que, que c'est entre les deux que les terroristes passent pour venir menacer les gens. Donc il y a un défi que les terroristes posent. Mais je pense que le gouvernement a en tout cas les moyens de faire. Même si il faut le rappeler. C'est une défaillance du dispositif non, Écoute, Mokhtar, la frontière entre le Niger et le Mali, 821 km. Ça fait la distance entre Niamey jusqu'à quelle, quelle région du Niger 821 la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. 630 km. Mais ça, tout le monde connaît. Mais non, mais non, c'est pas tout le monde connaît. Non, tout le monde ne connaît pas. Oh, oh, allez -y, allez -y, tout le monde ne connaît pas. Et donc, c'est non, c'est pas. Hein. Oui, mais c'est pas, c'est pas ça le problème. C'est le vous, le gouvernement fait. Le gouvernement fait des efforts. Mais ce que le gouvernement fait des efforts. Et les terroristes là, ils viennent du Burkina et du Mali. Est-ce que vous comprenez Il y a même des Nigériens. Il y a des Nigériens, oui, mais il y a des Nigériens qui ont euh, incorporé. Oui, ils traversent mais ils traversent la frontière pour venir. Après, ils retournent. Mais l'armée, ce qu'elle a fait, ce que l'armée a fait, ce que les forces de sécurité intérieure ont fait, ce que la situation qu'on a, maintenant. Il y a, aussi des Burkinabés et des Maliens qui disent le contraire. La situation qu'on a aujourd'hui. Beaucoup que. la situation qu'on a aujourd'hui là, elle n'est pas à comparer à l'époque où il y a eu les massacres de Tchoumabongou, où il y a eu les attaques de, Tina, et les attaques de Chinagoder. Ça, c'est un fait. La situation s'est nettement améliorée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, comme le prouve justement la déclaration des gens de et de Banquillaré. Mais justement, j'ai dit, les, terroristes posent un défi à l'État et il appartient à l'État de relever ce défi-là, de faire en sorte que la situation puisse être mieux gérée. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, je pense que. oui, oui, même Gado, allez-y rapidement. Quand, tu ne vis pas, quand tu ne vis pas euh, la situation, tout ce que nous allons dire ici, nous sommes en train de parler. Mais ceux qui vivent la situation là, ce sont ces gens-là que nous avons vus qui ont rendu public leur déclaration. Donc ça veut dire que ça urge là-bas. oui, ça veut dire que ça veut dire que tout simplement. Il y a un défi que les Maintenant, c'est de vraiment voir comment est-ce qu'il faut faire pour les sécuriser. Merci à tous, merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Galangou. Merci à nos invités Maimouna Diado, journaliste indépendante, Abba Chariarimi, journaliste à la radio alternative et Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Mouria. Euh, merci aussi à vous tous, euh, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, euh, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche à 17h euh, sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.